du 22 juin 2023, chers auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamatou Kadri et aujourd'hui je suis avec Mariam Adey. Marie, comment tu vas Ça va bien, Sali, et toi Super bien. Alors tranquille, on n'oublie pas de faire un petit coucou à ceux qui assirent de l'autre côté de la vitre. La technique est assurée par Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Dis-moi Salita, quoi pour nous ce matin Pour commencer, Mariam, nous allons faire le tour de l'actualité avec le flash d'information. Nous allons rester à Niamey pour le reportage régional. Il y aura également du loti, de la culture linguistique et du sport. Ce matin, Sali, nous sommes avec M. Adamou Soumaya, président de l'Association des caméramans des médias privés du Niger. Chers auditeurs, avant, le flash d'information que nous allons découvrir dans cette émission, il sera présenté par Rafika Atter. Fifi, bonjour. Bonjour Sali, comment tu vas alors, Rafi, quelles sont les informations ce matin Alors, dans ce Flash Info, parlons du prochain visage de l'Assemblée nationale après les législatives partielles de la diaspora le dimanche dernier. L'élection des législatives partielles de la diaspora du 18 juin dernier, dont les résultats globaux provisoires ont été proclamés hier par la CENI, boucle le cycle électoral lancé en 2020 et donne à l'Assemblée nationale son visage définitif avec 171 élus trois partis renforcent leur présence au sein de l'hémicycle. Il s'agit du PNDS Tareya qui a obtenu deux sièges supplémentaires et passe à 81 élus, du Modène Falumana qui a eux aussi deux députés et monté à 21 députés tandis que le MNSD Nassara gagne un siège, ce qui lui fait 14 représentants. L'équilibre des forces en présence ne change pas au sein de l'Assemblée. Ensuite, le président de la République, Bazoum Mohamed, séjourne depuis mardi à Paris. Il prend part avec les représentants d'une centaine de pays les 22 et 23 juin au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à l'initiative de l'Élysée pour tenter de poser les bases d'un nouveau système financier capable de mieux armer les États fragiles face au changement climatique. Ce sommet doit permettre de construire un nouveau consensus pour un système financier international internationale plus solidaire selon les organisateurs et renforcer la résilience des pays les plus vulnérables face aux chocs économiques et impacts du changement climatique. Enfin, dans ce flash, à Sali, l'école militaire supérieure du Nigeria au Niger organise un panel avec pour thème la mondialisation et l'intégration économique régionale, implication pour le développement durable en Afrique. La cérémonie d'ouverture officielle des activités a eu lieu hier mercredi au sein de l'EMS au terme d'un voyage d'études de la 16e promotion de l'Institut national d'études de sécurité INSS de Guari du Nigeria au Niger. Le panel constitue le meilleur plateau pour permettre aux bénéficiaires d'atteindre les objectifs dans le cadre de ce voyage d'études, de capitaliser toutes les expériences qui ont été réunies à cet effet pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances et leurs analyses dans ce domaine. Nos pays rencontrent des problèmes d'insécurité qui sont liés aux défis de la globalisation qui affectent directement leur développement. Ce panel permet donc le renforcement de la synergie afin de combattre l'insécurité transformative transfrontalière à laquelle font face plusieurs de nos pays, indique l'agence nigérienne de presse ANP. Merci Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé, notre invité de ce matin est M. Adamou Soumaï, président de l'Association des caméramans des médias privés du Niger, ASCAMEP. Bonjour monsieur. Bonjour. Adam <laughs> bonjour Adam. Euh, bonjour. Avant de vous donner la parole, euh, chers auditeurs, écoutons ensemble notre première balade musicale. Il s'agit de Feu Bagué Rookie. ayube rukiyat jadi sarmola hale mde dinse matkan chini ngandu e mde deite ayube no giba ayru seiro babe baji ba ayuba watin deile rukido no chal kam gungiya huwe Sinde zanko alal beri kanki yoro be kambore jimbi ayubo kanginde rukido noka nyongei heke kali tabi keinei heke kali tabi nyandu ei mundo note allah tiba laminde tu kitaram no banaram Ameke ma baze eluku. Anyandu einu oyuku. Chana weinu chendelo oyuku. Chalkam mineru kayuwa. No dinda gungi atuwe ah, jinde. Tekso bonde gungi azanke. Ah, Azabura kiko challe. Nkalle ngande gande iku. koirizeni nyale ikoire ngomberi koiri boksaya larabe bindo halama koi guriya larabe binde miliyedo dinga bombo siyaduwi Le titre Rookie des Bajé est une chanson populaire à son rail dédiée à la jeune fille Rukoya par son amoureux. Oui, Mariam, en effet, dans le passé, les jeunes ou garçons inspirés composent des heures pour magnifier leur amoureux, mais malheureusement pour le cas de Ruki, elle est décédée suite à une maladie au moment où leur amour était au top et allait être concrétisé. kek so bonga gungia azanke anyande we muna anjonke matine igete kidizima arzume songore zita soko karataso de mahandare kuwa ndakalate andare mange aliwe handara noti awi namara no ki ka kise no ane kale ma che zimma toro de zimbe raka dogan chi koti ko inoka albinde zimbe raka ay koy kalizram gande zimmade zimmei woram ko kale damde nyandu wey Senegal is am loko. Nei kakito chawa yuba. Andin nei dido bundu mamachi. Dinei te foli binza. Kindei te harake nendiga siza. Kindei koi didugo kali kazi. Awi indabu wo boreni dar chingo Allah kiba. La ilaha illallah. Panadame. Yadinga ruka yademe molo. Carmola haleme dinse. Mate kanguru kese neigo. Akanzi meika kito chawa tengo. Ine ngei mateo. Babe woram mate handa nei woram besukare isarega Derei woran mahanchine isarega urupesa Añandu eimuna anjonte matindete Toro desimberano Ngeno tauki onzima Asitambuli mali azinanda de retour au studio avec notre invité du jour, euh, Monsieur Ademou, parlez-nous de votre association et sa création date de quand euh, Bonjour et merci de m'avoir euh, invité dans votre magnifique studio de Klangou. Je me nomme Soumaya Adamou je suis le président de l'association des caméramans euh, des médias privés du Niger. Et en ce qui concerne la date de création de notre association, euh, l'association a été créée en juillet 2016. Mais nous, nous avons pris le règne de l'association le 2 février 2022. Au fait, euh, pour un peu vous faire le briefing de l'association. L'association, elle a été créée au fait pour euh, au, départ, elle a été créée pour euh, euh, renforcer la cohésion entre les caméramans d'ici, surtout à parce qu'on est tout le temps sur le terrain avec des petits problèmes entre nous. Donc on s'est dit il faut qu'on soit unis, une synergie entre les caméramans, c'est important. À travers une FADA, on s'est vu, on a un peu discuter de ça. Et c'est de là que l'association est partie. Et maintenant, ce même faisant, comment ne pas Parce qu'on parle du Niger, l'image c'est partout. On, on a décidé d'organiser l'association. Et c'est ce qui a fait, on a, on a, on a élargi l'association jusqu'à l'intérieur du pays. Dans les, rues, dans les régions du Niger, on est là, on est partout, on est présent. Et à part ça, on a des petites formations qu'on s'efforce de faire. Je dis qu'on s'efforce de faire parce que tout simplement, on n'a pas les moyens, mais on s'efforce de le faire. On se réunit de temps en temps entre caméramans, on s'entraide. Et ces formations, moi, ce qui m'a toujours plu, parce que c'est des formations que nous continuons. Parce que c'est des formations que nous continuons jusque sur le terrain. Parce que sur le terrain, quand un caméraman a des problèmes avec sa, avec euh, sa caméra, ça, c'est une autre c'est notre forme de formation, il vient envers ses collègues que nous sommes. Il nous dit, on essaie de voir avant que l'activité ne commence. La caméra passe dans la main de tout le monde, de ses autres frères, et puis on trouve une solution rapidement. Et ça, c'est notre forme de l'association. Et maintenant, à part euh, le fait d'aider, le fait de faire des formations aux caméramans, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'association fait aussi pour eux Oui, il y a des trucs sociaux qu'on fait, on peut se retrouver pour faire des petites euh, activités et dans la ville, comme des trucs, le fait de balayer euh, les rues, ça dépend, on fait un choix, on se réunit au cours de nos réunions qui se tiennent à chaque deux semaines. On fait un peu les balayages, ça dépend de, la proposition que, que les gens font. À l'unanimité, on prend la proposition qui est, qui est supérieure aux autres. Maintenant, si on décide de venir balayer Klangou, on le fait. Si tout le monde accepte, on le fait, c'est comme ça. Parce que c'est l'association, elle est démocratique. Voilà. Vous êtes au nombre de combien et dites-nous, est-ce que tous les caméramans des télé privés sont de l'association euh, Effectivement, on est, tout le monde est dans l'association, pour commencer par votre dernière question. Et on est au nombre de 113 sur toute l'étendue du territoire du Niger. Tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des régions où, dès qu'un nouveau caméraman intègre une télé, que ce soit ici à Niamey ou bien euh, en région, on nous appelle, on nous demande de, de l'intégrer dans, dans, comment on appelle ça, dans l'association. Et présentement, il y a un caméraman qui, ah rien, rien qu'à 20h, il m'a appelé. C'est euh, le, caméraman de Gaïa qui est là. Il me dit Bon, de l'ajuster Parce qu'au fait, on a un groupe WhatsApp euh, avec euh, la mondialisation, avec euh, l'évolution, disons, mm-hmm. c'est plus facile de se contacter par WhatsApp. Donc, on a un groupe WhatsApp là où tout le monde est là, et tout le monde y est. Et puis, dans le groupe WhatsApp, là, deux fois, si j'ai besoin d'un appareil, soit location ou bien pour acheter, c'est simple, je mets ça. Ou bien si je vends, je mets mon appareil dans le groupe WhatsApp, les autres voient. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il dit qu'il est intéressé. Et c'est tout. Ou bien si récemment, un caméraman m'a appelé l'État aussi. Si tu as un problème, parce qu'il était sur le terrain, il avait un problème, il m'a appelé Ah, président, voilà, j'ai un problème, je dois faire comment Et puis bon, je l'explique, voilà, voilà, voilà, et puis tu fais. Et c'est comme ça, l'association. Et maintenant, lors des activités, les caméramans qui sont dans les régions, ils vont vous rejoindre ici oh, Oui, ça dépend de l'activité. Parce que les activités, c'est les télés qui les gèrent. Au fait, mais. Euh, pour les activités, c'est les télé qui les jette. Maintenant, si la télé a eu une commande ici à Niamey, il décide d'envoyer un caméraman de l'intérieur. Le caméraman vient. Récemment, il y a un caméraman présentement qui est à Le de, il y a un caméraman de Zandel qui est à C'est parce qu'ils ont eu une activité, une commande de Terra. Le caméraman s'est déplacé pour venir. Mais c'est que si lors de AG, c'est là où nous on, dit, l'ordre est AG, les caméramans, on les font venir, euh, on, les fait venir, disons, on les fait venir ici à Niamey pour participer à l'AG. Ok, d'accord, chers auditeurs, avant de continuer les discussions avec notre invité du jour, on va encore souffler en musique avec euh, le titre Zutia de l'artiste Shoba. Production. Euh, Vas-y doucement, on a tout le temps. Accroche-toi mon bébé, me repousse pas. Je bats dans la zone et t'es ma corazon. Ensemble on va tout péter comme une bombe. Mbaki commis bangani. Ikimbe say you love me. comme komi komi zasugaye komi zasui baby inakike. Mbaki La la Dala karia kariyasuke. ba su so ne su ga mu tsallake cika zuci na ki shigo ina kike cika zuci na ki shigo na ce ina kike cika zuci na ki shigo kin shigo ki shigo cika zuci na ki shigo ki shigo ki shigo cika zuci na ki shigo Zuccinaki, sugar, chicken zuccinaki, sugar, zuccinaki, sugar. Every day, every day, every night, every night. When I see you by my side, feeling good, feeling right. Every day, every day, every night, every night. When I see you by my side, feeling good, feeling right. I'm back in, I'm coming, bangani. Give me, I say you love me. Ye kumi kumi zasu ga yi zasu baby Ina gige baki nan zuciya ko ka dage Dala zu yo kariya suke Yi ba su so ne su ga mu tsallake Ciki zuci na ki shigo kin shigo kin shigo Cikin zuci na kin shigo kin shigo kin shigo Cikin zuci na kin shigo Gucci naki, She go, she go Gucci Nike. She go, Gucci eh, Nike. She go. Every day, every day, every night, every night. When I see you by my side, feeling good, feeling right. Every day, every day, every night, every night. When I see you by my side, feeling good, feeling right. I'm back in Uncle Me Bangani. Give me, I say you love me. It's me, come me, that's what I is a sweet baby In a gigi Baki nan sucha kukatake Dala ju you carry a suke Iba so so ne suga mutalake Chiku suchi na gigi Shigu qui signifie cœur et le titre que vous êtes en train de kiffer de l'artiste Ashoba de son vrai nom Bachir Mati Issoufou. L'artiste Choba 227 est né le 13 janvier 1997 à Namaro, région de Tilaberi au Niger. C'est en 2018, Mariam Shoba, Shoba 2027 se lance officiellement dans la musique au sein du groupe éphémère Tic Tac Forever. Et en 2019, il se lance en solo à Abuja, au Nigeria, qui lui a permis de se faire connaître véritablement dans le milieu de la musique. Poursuivons les discussions avec notre invité du jour. Monsieur Adamou, Merci Adam, plutôt, parlez-nous de vos difficultés dans ce métier. Oui, effectivement, les difficultés, au fait, euh, ça ne manque pas. Ça ne manque pas vous savez, en tant que journaliste, on a des difficultés euh, deux fois à exercer notre métier. Principalement, nous, les caméramans, on est toujours euh, exposés. On a des petits problèmes avec euh, nos autres frères qui sont en tenue, qui, deux fois, ils aussi, en faisant leur boulot, deux fois, ils essayent de nous empêcher de faire le, notre. Bon, nous, on les comprend, c'est comme ça. Chacun cherche à faire son boulot parfaitement parce que chacun a euh, un compte à rendre euh, à, son supérieur. À part nos, autres frères euh, qui sont les porteurs, il y a aussi la population. la population qui aussi des fois, le caméraman se trouve agressé, soit verbalement, soit physiquement, par les civils. Et moi, c'est surtout ça qui m'étonne. Je n'ai pas dit que c'est des, des autres qui sont tenus et normal. Ce n'est pas normal. Nous, on est là pour faire notre boulot. Si on, si on ne cherche pas l'information, eux là, que ce soit et ceux qui sont en tenue et ceux qui sont en civil, ne seront pas dans leur petit fauteuil, dans leur salon, en train de prendre leur petit thé ou bien leur dîner et regarder les informations. Il faut des gens qui se sacrifient pour, leur, pour ils soient heureux à 20h ou bien à 13h ou bien au petit matin, le, journal du petit matin pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils savent ce qui se passe dans le monde entier. C'est parce que nous, on existe. Et nous, nous demandons de nous faciliter cette tâche. Dernièrement, ce n'est pas un secret de polichinelle. Un caméraman a été agressé physiquement. Et ils l'ont même, ont même gâté eh, eh, sa caméra. Dieu merci, ils ont, les ils ont pu euh, rembourser la euh, caméra. Un caméraman qui a été de par des vigiles parce qu'il fait son devoir. Non, les gens doivent savoir que si tu n'aimes pas qu'on te filme, si, le caméraman te filme, tu n'as pas besoin de le toucher. Il y a ce qu'on appelle droit à l'image. Tu le convoques et c'est tout. Si tu as raison, tu as raison. Si, tu si, si, si, il a tort, il a tort. Tu n'as pas besoin de le, de, de, le cogner. Dernièrement aussi, j'étais euh, agressé par des gens qui ont voulu me tabasser à mort. Il a fallu deux vieux et un petit. Et je, je vous assure, je ne peux pas me rappeler quand est-ce j'ai eu des larmes aux yeux si ce n'est pas le jour-là. Les vieux, ils m'ont tiré des mains de ces barreaux là Le petit qui avait que dit, eh, tonton, voilà, il était ça. Donc, il n'y a et je ne savais pas quand est-ce que les larmes coulaient de mes yeux. Et les gens, là, la nuit, là, ils vont encore retourner chez eux, regarder la, la télé, voir ce qui se passe. On doit exister pour qu'eux, ils soient heureux. C'est comme ça la vie. Et si je dois vous dire les difficultés auxquelles, et faire la comparaison avec euh, l'étranger, mais c'est autre chose. J'avais, j'avais, j'étais parti au Maroc un jour parce que Dieu nous a donné la chance de faire un peu le tour de l'Afrique, grâce à Dieu. j'avais ma caméra à main. Et dans, dans l'aéroport, j'avais pas eu de problème. Au fait, ils m'ont pas dit seulement passe. J'étais le monsieur qui a eu plus de simplicité pour, pour, pour, pour ne pas, pour, passer. On ne m'a pas fouillé. le journaliste, non, non, non, on n'a pas, pas, de problème avec le journaliste. Passe, passe, passe, passe, passe. Une petite anecdote. J'étais chef d'antenne. J'étais chef d'antenne en Kony. Mon patron était venu, il allait partir à Sokoto. On arrive au niveau de, de la frontière. Je rentre, je lui montre mon badge je passe. Le DG qui est là, le DG actuel, il rentre, il rentre, il, il montre son passeport. Et j'étais dehors au niveau du, véhicule, je l'attendais. Il a duré dedans. Et puis je rentre. Et j'ai demandé au, au, au, au là. En fait, euh, ils appellent ça immigration. J'ai dit immigration. Mais lui là, c'est mon patron. Ils ont dit ah bon Il dit montre-leur votre barge. Il les a montrés. Ils disent non, ils ne savent pas. Si c'est journaliste, ils ne vont pas l'arrêter. Parce qu'au fait, il faut simplifier la tâche à nous autres journalistes pour qu'on puisse vraiment bien faire notre... Et monsieur Adamou, quelles sont vos attentes Nos attentes Oui. En fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on nous simplifie la tâche pour qu'on euh, puisse faire euh, hein, l'accès. Parce que le caméraman, il doit, il doit c'est lui l'élément clé. En fait, je ne nous flatte pas. On doit, on doit voir les images quand on fait la télé. On doit voir les images. C'est ça l'épreuve palpable. C'est ça la télé. Et si on nous empêche de filmer, c'est pas bon. Hein? Et nous, au fait, au fait euh, nous voulons aussi à ce que Au fait, qu'on a, besoin vraiment de, formation. L'association seule n'a pas les moyens de former tous ces beaux monde, plus de 113 euh, caméramans. Donc euh, vraiment, on, on plaide à ce que les les, Bayer nous, nous aident à faire des formations à nos autres collègues. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec euh, l'évolution de la technologie, l'homme doit être toujours à pas. Pas le caméraman seulement. Tout le monde doit être à pas à chaque fois. Et surtout que nous qui utilisons des outils comme les caméras autres là, Ok, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Adamou, de nous avoir honoré de votre présence. Excellente journée à vous. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons explorer un aspect souvent méconnu mais essentiel de la création cinématographique, le rôle de l'éclairagiste. Nous plongerons dans les techniques d'éclairage l'influence de l'éclairage, l'éclairage tantôt sur la narration et nous partagerons des exemples de films emblématiques. Et pour ça, Aladdin Mega est avec nous. Aladdin, bonjour. Bonjour euh, Salamatu bonjour Mariam. Bonjour Aladdin. Alors Aladdin, dites-nous qu'est-ce que c'est que l'éclairage cinématographique alors, euh, Mariam, il faut savoir que euh, l'éclairagiste joue un rôle crucial dans la création d'une atmosphère et d'une ambiance dans un film. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, le directeur photo pour traduire leur vision en termes d'ambiance lumineuse. C'est-à-dire que quand le réalisateur dit je veux que l'éclairage, par dans un film d'horreur, vous savez pourquoi vous avez peur dans un film d'horreur Parce que l'éclairage et le son, ça joue un rôle très important. Quand c'est fait dans le noir, vous êtes déjà préparé quand vous avez... Quand c'est sombre. Et puis quand c'est sombre, et puis vous avez juste une lumière qui fait... Tu vois, ça fait peur. Et quand le réalisateur commence à parler, à dire, voilà ce type d'éclairage que je veux, c'est comme ça que l'éclairagiste, lui, il va commencer déjà à cogiter, à penser et à traduire en image de, la, de ce qu'il y a dans la tête du réalisateur. Donc l'éclairagiste L'éclairage au cinéma repose sur différentes techniques. Les éclairagistes utilisent des sources lumineuses telles que des projecteurs, les réflecteurs, hein, les projecteurs, ce que vous avez ici, des réflecteurs. Ça, les réflecteurs, c'est une sorte de. Comment je vais appeler ça C'est une sorte de bande de tissu où c'est argenté ou bien c'est doré. Donc ça permet de rediriger le soleil quand vous avez un peu d'ombre. Il prend le soleil, il le redirige sur, la, sur le visage du comédien. C'est ça aussi le réflecteur. Nous avons les panneaux LED, les LED que les gens sont en train d'utiliser actuellement, les grosses lumières qu'on a qui sont froides parce que avant nous n'utilisions que les, les, les, lumières chaudes et avant, la, avant le fin, la fin du tournage, vous avez toujours des problèmes avec le comédien parce qu'il n'a plus envie de tourner, il a chaud, tout le monde est en train de suer. Donc, pour créer des effets spécifiques, donc on, on retrouve notamment trois, trois, les trois points. Le contre-jour, c'est-à-dire que quand vous, êtes, vous faites dos au soleil, ce que vous avez, euh, l'image que vous avez, euh, la couleur que vous avez, les couleurs de contre-jour. Vous avez les éclairages d'ambiance en fonction, par exemple, quand vous êtes en soirée, vous avez des éclairages multicolores qui sont dans les boîtes de nuit et tout ça. Et en fait, on a beaucoup de types d'éclairage dans le cinéma. Mais comment l'éclairage contribue-t-il à la narration, à la narration d'un film et Quand on parle de narration d'un film, on parle de, de quitter un point A à un point B. On parle de quelle est l'ambiance du film, qu'est-ce que vous voulez montrer dans le film, dans quel type le type de les conditions dans lesquelles le personnage se trouve. Si vous avez remarqué dans les films où il, on parle de beaucoup de psychologie, on parle de beaucoup de psychologie. Euh, vous avez des, des, des, des, lumières où souvent la personne elle est un peu floue, c'est fait exprès pour montrer euh, ces genres de, de, de, scènes. Donc l'éclairage crée un constat, l'éclairage crée des contrastes, des ombres, des tonalités spécifiques qui reflètent les émotions, les personnages, l'intrigue. Par exemple, un éclairage semble contrasté peut renforcer l'atmosphère mystérieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un film noir, tandis qu'un éclairage doux et lumineux correspond à une comédie romantique ou un film d'amour, etc. Donc c'est en fonction vraiment de, de l'intensité que vous voulez mettre dans le film, que l'éclairagiste aussi crée des lumières pour vous. Alors pour finir, Aladdin, quel conseil donnerait-il aux jeunes réalisateurs euh, quel conseil on peut donner aux jeunes réalisateurs On va dire, moi je dirais aux apprenants en réalisation aussi, pour mieux comprendre l'importance de l'éclairage au cinéma, ils doivent examiner quelques films, beaucoup de films déjà, ils doivent regarder des films pour regarder comment le réalisateur et le directeur photo arrivent à concilier, à créer, à créer l'ambiance de l'image. Donc moi je leur conseillerais de regarder beaucoup de films et pour des films, vraiment moi je je parle pas des films africains parce qu'il y a beaucoup de films africains qui sont bien faits et tout, mais il y a des films euh, qui ont eu un travail très très spécial au niveau de la lumière. Donc des films comme Blade Runner, comme Citizen Kane, comme Goodfather. Donc c'est vraiment des films que je, je, je conseille aux jeunes de regarder pour bien maîtriser leur merci, Merci, merci beaucoup à la dame. On a plein, plein de choses à se sur ça. On vous remercie, chers auditeurs, notre tour en musique avec Sulbadio du groupe Détran Finatawa. qui signifie jeune fille du groupe Etran Fintawa, qui veut dire les étoiles de la tradition, est un groupe à des musiques nigériennes dont la musique est qualifiée de blue nomada ». La musique d'Etran Fintawa mêle la musique traditionnelle des Touaregs et des Wadabes à des instruments occidentaux comme la guitare électrique. Mariam, les paroles des chansons sont composées dans les deux langues, le tamashek et le fulfulde. Aujourd'hui, nous restons à Niamey pour l'écho des régions et notre reporter Alamine Wacher traite de la mendicité au Niger, un phénomène qui, selon les acteurs, a pris de l'ampleur. Il n'est pas rare de croiser dans les grandes villes du Niger des mendiants au niveau des grandes voies en train de faire la planche. L'islam autorise-t-il à mendier Réponse dans ce reportage d'Alamine Wacher. Au Niger, la mendicité n'est pas seulement une nécessité, elle fait partie de la culture chez certaines personnes. Aux abords des grandes voies de la ville, hommes, femmes, enfants tendent les mains aux passants. Ibrahim Baya, sociologue, souligne ici quelques facteurs qui sont la cause principale de la mendicité au Niger. Il y a d'abord, euh, comme je le disais, les facteurs socio-culturels et religieux. Euh, au nombre des facteurs socio-culturels, nous pouvons évoquer l'influence de la tradition, nous pouvons parler du poids de la religion, euh, nous pouvons parler de l'ignorance euh, des parents. Il y a aussi euh, la démission des, des hommes, chefs de ménage, qui sont là à déléguer la responsabilité aux femmes et aux enfants. Donc, ce qui fait que du coup, les femmes et les enfants se prennent en charge à travers cette pratique. Il y a également également les facteurs socio-économiques tels que la vulnérabilité des ménages. Il y a l'influence, ce qu'on appelle l'effet d'entraînement, c'est-à-dire euh, votre voisin se lance dans la pratique, il est au village, il quitte au village à pour les villes en quête de l'endemain meilleur, vous lui emboîtez les pas. Des fois, c'est lui-même qui vous appelle, qui vous envoie les, les frais de déplacement. Oustaz Haladou, prédicateur, lui, il revient sur les conditions qui permettent à une personne de mendier en islam. lokacin da kana cikin bashi bashi ka sani wanga dai an baka dama in ka san bashi nan aka bai kai sai kai ka cikin lala hanya ko ka bar gari kuma ka iya ka kai bara a taimaka ma dan ka bashin nan sai na biyu ko yunwa kana cikin matsala babu komai ko kai mata ne ko dai kana cikin matsala babba babu wani mai taimaka ma an ba da hanya ka zo a masallaci ne ka nemi taimako a taimaka maka iyakacin wanda ka san misali ka samu an taimaka maka na kwana kafin ka shafi ko wata guda to shikenan kun baka sake bara kuma ta zama harama kanka wannan su ne ababe wa'inda shari'a ta yadda da su to amma ai shi tara kuɗi ma da sunan bara ai haramun ne akwai hadisi nan da manzo Allah cewa duk mai bara dan ya tara bai tara komai sai dai wuta illallah Certains citoyens estiment que la mendicité est un phénomène qui impacte l'éducation des enfants. sande no gwara el me barkar kwai fi sibilillahi wadin ga gogte ere gum zama e ka burado burane ko e, mun ga ni funa do wala wal ka se klasan ga do ni ka moto do popor ko men di azur ka ga ni ra ay kan ni ga ga marai ne be kan sande funo ya fun se ko ne wala ga lumma mun ma sar zama zankan go kan didi di bora bar karkai ni go gudu e di bora da no ru fanda bon ko cha ba su barka dadi no run wasu ba ga ngam barka ka ga ko barka ya ni ga ngam da ko su ba do ya ga ni be kan labago ga sar ko koy no lalle bore kam man tele bon te din de sin go no im goy ke kise ba du an kin wa im wor barkaren go bore kan yangin warai misal bore kan gondun nyeize nyeize no ha goy bore din dangle ban te da hakan himan diyadin bore kan sin da gwamnati no himga goy da gwamnati yin himga fis fis bore din duma mo bai hay im guni se mataki ki san bi se ngai ga sin ki kan di se kan na im du wara din na Il est à noter que plusieurs dispositions ont été prises par les autorités nigériennes afin d'éradiquer les phénomènes de la mendicité, notamment la mise à la disposition des mendiants d'un quartier. Il s'agit du quartier Kwaratagi dans le deuxième arrondissement de Niamey, quartier acquis sous le régime du fait Kunchi avec l'appui financier de l'Arabie saoudite. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, sur leur d'histoire, Grouza Hassumi Karimou est avec nous. Grouza, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Myriam. Bonjour Grouza. Alors Grouza, l'équipe I-23 du Niger a bloqué son stage au Maroc. Oui, les poulains de Zakariaou Ibrahim ont sanctionné la fin de leur stage avec une victoire large face au Raja de Casablanca sur le score de 4 buts à 0. L'équipe nigérienne séjourne depuis quelques jours, comme vous le savez, au Maroc pour une acclimatation avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans la catégorie de moins de 23 ans, qui va démarrer d'ailleurs le 24 juin prochain, c'est-à-dire dans deux jours. Le Niger jouera ses matchs à Tanger, le deuxième site de la compétition où il croisera le fer avec l'Égypte pour le premier match. Parlons des éliminatoires de la CAN 2023. Oui, Myriam, les Mourabitounes de la Mauritanie ont pris la tête du groupe 1 dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 en battant les crocodiles de Nil du Soudan euh, sur le score de 3 buts à 0 pour le compte de la cinquième journée. À une journée de la fin de cette campagne dans le groupe 1, la Mauritanie prend la tête euh, euh, du groupe devant la RDC, le Gabon, le Soudan, mais actuellement, dans ce groupe, aucun pays n'est qualifié et aussi aucun pays n'est éliminé. Le tout se jouera donc à la sixième journée au début du mois de septembre prochain. Combien d'équipes participeront à cette CAN 2023 24 équipes seront au rendez-vous ivoirien, mais c'est pour compléter l'effectif d'ailleurs que cette dernière campagne est organisée. Les neuf autres équipes qui vont compléter la liste seront connu au terme de la sixième journée des éliminatoires prévue début septembre prochain. Merci Grouza pour toutes ces informations et à bientôt. Chers amis, auditeurs et auditrices, c'est l'heure du portrait et aujourd'hui nous allons parler d'un jeune écrivain et doctorant en droit. Son nom est Abdelmalik euh, Youssoufa, il est célibataire âgé de 25 ans, il est l'auteur de l'œuvre Nos âmes esselées. Abdelmalik a commencé à écrire depuis le cours élémentaire à deuxième année CE2, aujourd'hui, déplore les manques de lecture nigérienne. On l'écoute au micro de Habib Garba doctorat en droit. Je suis également écrivain. J'ai publié récemment mon premier recueil de nouvelles intitulé Nos âmes muselées, paru en décembre 2022. C'est dire que l'ouvrage est de fraîche date en fait. Je suis également collaborateur de presse. Je signe des chroniques littéraires dans la presse écrite, mais aussi des articles politiques et aussi des contributions scientifiques dans les revues internationales. Et vous avez quel âge 25 ans. Abdel Malika Youssoufa, euh, pourquoi vous avez choisi d'écrire c'est une question difficile, mais je ne veux pas m'y dérober. On écrit, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, pour transmettre. On dit qu'un écrivain, un bon écrivain en tout cas, ce que je ne, je ne prétends pas être, mais ce que je souhaiterais être, un bon écrivain est d'abord un grand lecteur. Et quand on a lu, c'est qu'on a beaucoup appris. Le savoir est fait de transmission, il ne faut pas être égoïste. Quand on a appris, quand on a été ému, à son tour, il faut apprendre aux gens, il faut émouvoir aussi les autres. J'écris pour transmettre le savoir, mais aussi pour émouvoir les lecteurs. Depuis quand vous avez décidé d'émouvoir les lecteurs Je crois que cette euh, ambition est née depuis que j'ai développé, si je puis dire, le virus de la lecture. Je lis depuis ma tendre enfance, grâce à mes parents qui régulièrement m'apportent des ouvrages à la maison. Je lis, j'ai développé la fibre littéraire et je me suis dit quand je vais écrire moi aussi, je vais émouvoir le lecteur. C'est vraiment depuis la tendre enfance. Vous avez quel âge quand vous appelez tendre enfance quand Vous avez 10 ans, vous avez 16 ans, vous avez 20 ans, c'est quel âge Vraiment, c'est depuis le primaire, depuis le primaire vers la classe de CE2 en allant quelque chose que vous avez commencé depuis l'enfance. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous êtes toujours dedans. Tout de suite, vous venez de dire que eh, vous souhaitez encore être un grand littéraire. Alors, euh, qu'est-ce que vous voyez comme c'est Quelque chose qui peut vraiment euh, entraver votre démarche Bon, je crois que c'est quelque chose qui va au-delà de mon cas personnel. Malheureusement, au Niger, les gens n'aiment pas lire. Tout le monde sait que le livre est un réceptacle de savoir, le livre est un contenant de connaissances, mais les gens ne sont pas convaincus qu'il faut lire, malheureusement. Et je crois que c'est un grand problème. Ici, vous êtes un média. Supposez un seul instant que les gens ne veuillent pas écouter la radio. C'est à se demander pourquoi est-ce que vous existez. C'est la même question qui se pose aux écrivains. Si les gens ne lisent pas, à quoi vont écrire Mais je crois que ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut si je puis dire, soigné, Avec le temps, il faut sensibiliser les gens sur l'importance de la lecture. Ce n'est pas un hasard si les nations les plus puissantes au monde sont les nations qui accordent une place importante à la lecture. Je crois que le premier problème, c'est vraiment le manque d'intérêt du public pour la littérature. Deuxièmement, il y a que les industries culturelles ne sont pas très promues au Niger. Il est très difficile d'accéder à un éditeur. Remarquez que mon livre a été édité jusqu'au Togo. C'est vous dire la distance que j'ai eu à parcourir pour faire éditer mon ouvrage. Le manque d'intérêt pour la littérature de la part du public et le manque d'éditeurs. Je crois que ce sont les deux facteurs qui entravent l'essor de la littérature dans notre pays. Voilà, et maintenant, si on revient à l'œuvre que vous venez de publier, vous avez dit c'est récemment, en décembre 2022, mhm. Nos âmes Alors, euh, de quoi parle vraiment l'œuvre Nos âmes esselées, c'est un ouvrage qui parle de la condition de l'enseignant, de la condition du magistrat, de la difficulté d'être chômeur dans notre pays, et aussi des thèmes en lien avec l'amour, avec euh, les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi avec un peu de paranormal. C'est quoi l'intérêt que vous voyez pour le public lecteur D'abord, le titre Nos âmes esselées. ça a un lien avec solitude. J'ai écrit ce livre pour euh, indiquer au public qu'il y a des douleurs profondes que les mots ne peuvent pas rendre ou pour lesquelles on manque euh, une oreille attentive c'est vraiment à chaque fois d'inviter le public à comprendre que les douleurs peuvent être très très profondes et parfois on a besoin d'écrire pour extérioriser les douleurs, on a besoin aussi d'oreilles attentives. Parce que dans les nouvelles euh, de l'ouvrage, vous avez souvent des gens qui savent écouter les gens qui se confient à eux. Ils ne brusquent pas ceux qui parlent, ils se taisent et puis ils écoutent. Donc l'ouvrage, c'est aussi une invite au public à savoir écouter les gens qui viennent se confier, entre autres. Merci Habibou Garba pour ce portrait, chers auditeurs. Dernier tour en musique avec le titre Chamous Kamous euh, du groupe Kaidangaskia.